auditeurs, auditrices euh, des programmes de Sud Kalangu, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse de Sud Kalangu, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Nous avons choisi trois sujets qui ont dominé les nouvelles. D'abord, la déclaration du président béninois Patrice Talon qui veut rétablir rapidement les relations entre le Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d'État, notamment le Niger. Ensuite, la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement de suspendre toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Enfin, évidemment, la 44e édition du Sabra nationale, la lutte traditionnelle qui se déroule à Agadez depuis le 23 décembre 2023. À trois jours de la fin de la compétition, la short list des prétendants au sabre national se précise. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir euh, sur ce plateau Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Arimi journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération espacio Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, et le gouvernement nigérien décident de suspendre toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Décision communiquée le 24 décembre 2023. Pour les autorités nigériennes, il s'agit de la réponse du berger à la bergère. En effet, le 19 décembre 2023, l'OIF a suspendu le Niger de ses instances. Je commence avec vous, Memouna Diado, vous êtes journaliste indépendante, euh, quelle analyse donnez-vous à cette décision de Niamey <laughs> euh, mais tu as déjà répondu à notre place puisque tu dis que c'est une réponse du berger, à la, Mais c'est effectivement c'est ça parce que qui a commencé en premier, c'est l'OIF, c'est l'OIF à travers euh, son communiqué. Mhm. Et, c'est bien normal aujourd'hui que le, gouvernement de la transition aussi réplique mhm. pour faire comprendre d'abord à l'OIF l'Organisation internationale de la francophonie, que l'idée était partie d'abord du Niger. Mm. Depuis 1970, le Niger fait partie des pères fondateurs de la francophonie. Donc, qu'on soit, moi, en tout cas, ça ne m'a pas étonné parce qu'on sait qui tire les ficelles. L'OIF est où On sait que mm. c'est toujours la France qui tire les ficelles. Mm, c'est un jeu et l'OIF n'a pas à, se mêler normalement de la situation entre la France et le Niger, mhm. entre Macron et le Niger, parce qu'on ne parle pas de la France tout entière, mais c'est un seul individu mhm. qui est en train de s'aimer la zizanie. Et, oui, et je pense que en fait, l'OIF, c'est la francophonie. On a bien dit que c'est la francophonie. Donc, ça regroupe déjà les pays francophones. Ce n'est pas seulement le Niger. Il y a combien d'États de pays francophones qui ont déjà passé par des coups d'État, mhm. mais qui sont jusque-là acceptés par l'OIF. Mais selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé cette décision même de l'OIF de suspendre le Niger de ses instances Mais c'est ce que je suis en train de mhm. dire. Il n'y a pas de motif valable. Mhm. On ne sait pas pourquoi, en fait, cette suspension. Parce que tout simplement, c'est un conflit que je suis en train de raconter, que je suis en train de dire. C'est déjà une même mise qui est derrière l'OIF ça, ça n'explique que cela. Mais quelle est cette même mise <laughs> il y a la France déjà de visa. Et il y a encore, il faut pas oublier cette histoire de CDAO là. C'est les pays, il y a les pays francophones qui sont à l'intérieur donc de, de, cette histoire de, de, CDAO. Mm-hmm. et, et, et, le gros problème aujourd'hui, moi je ne vois pas l'intérêt à l'OIF puisque déjà l'ONU, l'ONU <laughs> reconnaît déjà les, les, militaires au pouvoir, le CNSP au pouvoir. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt donc de, de, de, la francophonie. Mais bon, si la francophonie... Mais vous venez vous-même de le dire que le Niger est l'un des pays fondateurs euh, de la francophonie. Cela peut-être aura un impact ou pas pour le pays Bon, cela ne peut pas avoir un impact. Hein. Je pense que les gens doivent en fait comprendre aujourd'hui pourquoi euh, l'intérêt même de la création de, l'OIF. Aujourd'hui, il n'y a plus d'objectif pour l'OIF. L'OIF n'a pas encore... Euh, c'est en tout cas euh, mm-hmm. à démissionner, de ses prérogatives. Mm-hmm. Donc nous, on n'a pas à s'inquiéter. Le Nigérien n'a pas à s'inquiéter. S'ils veulent même nous, on va <laughs> revenir avec nos langues nationales, pourquoi pas alors, Arimi, l'OIF suspend donc le Niger de toutes ses instances. Le Niger replique en quittant aussi toutes les instances de l'OIF. Quelle analyse donnez-vous à ces décisions Bon, euh, euh, de la création à aujourd'hui, je me dis que euh, la façon de voir euh, de l'OIF a évolué. Euh, je, crois, que tout le monde ici, euh, chacun suit un peu comment l'OIF participe aux processus électoraux mm. dans les, pays, membres de, l'OIF. Mm. Parfois, ça frise même l'interventionnisme parce que c'est eux qui donnent euh, généralement le cutis, euh, ils auditent euh, le fichier électoral, voilà, des choses comme ça, quoi. c'est vrai que c'est les membres qui, peut-être, ont décidé de tout ça. Mais moi, je pense que par rapport à la situation actuelle, le CNSP n'a pas à s'apaisantir sur des questions de ce genre. Euh, Donc vous voulez dire que le CNSP n'aurait pas dû aussi prendre cette décision de pas quitter s'intéresser à, ça. Ils ont trouvé le moyen de faire savoir aux Nigériens que voilà, ils viennent euh, de suspendre notre pays. Parce que en fait, dans le fond, les Nigériens ne savent pas quel intérêt particulier le Niger tire de sa participation ou non aux activités de, l'OIF. Mais est-ce que vous pensez que l'OIF même serait revenu sur cette décision, sur sa décision ils vont revenir sur leur décision. Je n'ai pas en mémoire exactement comment leur euh, suspension est, euh, formulée, mhm. mais il faut savoir que c'est la même démarche, à mon avis, que euh, l'Union africaine, mhm. que la CDAO, que l'ONU, mhm. n'est-ce pas au moment où les États, comme je le disais la fois dernière, les États-Unis sont le déclencheur en fait de ce, processus, reconnaître le coup d'État, ça veut dire, bon, dans les textes de ces organisations-là, généralement, revient à suspendre aussi euh, le, pays de l'activité, des activités des organisations. Mhm. Donc, vraiment, il ne faut pas faire en faire un problème. Mhm. Moi, à mon avis, ça y va et ça tend même d'ailleurs vers la reconnaissance de la junte et mhm. la reprise des activités. Je pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas, ça ne doit pas. La CDAO, c'est plus direct la CDAO, c'est plus concret parce que nous vivons dans notre chair, mm. même si on a été euh, résilient, euh, les, les, effets de la sanction de la CDAO. Mm-hmm. Parce que l'OIF ne peut pas amener les pays membres de l'OIF, dont l'Algérie à côté, euh, par exemple, à avoir un autre comportement que ceux qu'ils ont déjà adopté mm-hmm. par rapport à notre pays. Donc, vraiment, moi, pour moi, c'est un quelque chose de, de plus vraiment de négligeable qui doit pas nous perdre de l'énergie mhm. dans ce que le Niger est en train de faire et dans l'échiquier international. Ouseni, Issa, selon Arimi, euh, le CNSP est allé, si je peux le dire, trop vite en besogne en quittant euh, l'OIF. Mais vous, selon vous, en restant même euh, après cette décision de l'OIF, qu'est-ce que le Niger, le Niger, autant pour moi, gagnerait en restant dans, les instances de l'OIF après la décision même de l'OIF de suspendre le pays Moi, je considère d'abord que c'est un non-événement. C'est véritablement un non-événement. Mm. D'abord, tout à l'heure, il me dit quelque chose de sensé. Mm. C'est quoi Concrètement, ça représente quoi aux yeux du Nigériens lambda, là Les paysans, là L'OIF, e l'OIF. E Les instances suspendent le Niger des instances de l'OIF. E C'est quoi Ces organisations-là sont devenues des organisations impérialistes voilà le problème. Selon moi, pour moi, c'est ça, impérialiste, parce qu'ils sont avec les impérialistes. L'organisation euh, de la francophonie, c'est une organisation qui doit normalement faire la promotion de la langue, la diversité culturelle et tout et tout. Ils se sont immixés dans la politique des pays. Tout à l'heure, Rémi vient de dire, ils viennent jusqu'à auditer les fichiers dans les pays, donner leur critiques par rapport à des élections, tout ça. Mm-hmm. Moi, j'ai dit, c'est non Mais il n'y a pas que cet aspect, il y a aussi les coopérations Quelle coopération mais Non, mais la France a suspendu déjà, a dit, les, acteurs, personne ne va chez lui. C'est la France qui a manipulé. Mais il n'y a pas que la France. C'est la France qui a manipulé. Non, non, non, c'est la France. C'est Macron qui a manipulé pour dire, il faut suspendre le Niger. Parce que j'ai parcouru le document, on dit, mm-hmm. il faut libérer Bazoum, il faut le rétablir dans ses, ses fonctions. Mm-hmm. Ils disent, non, non, non, il faut euh, définir un agenda des élections pour y venir. Ils n'ont qu'à aller. C'est ici que ça a été créé. Hein. Mhm. C'était l'ancêtre, comment dire, l'ancêtre, c'est l'ACCT. CCT. L'ACCT, la, mhm. euh, l'Agence de coopération culturelle. Voilà, qui a été euh, mise en place par quatre pays, quatre, mhm. quatre, quatre présidents. moi, j'ai dit, non, moi, j'ai dit, une fois, je l'ai dit, j'ai été interpellé au niveau de la France téléphoniquement pour me dire, j'ai dit, la France, le français même vaut quoi dans le monde? Aujourd'hui, tu sors de cette sous-région-là. Si tu parles pas anglais, tu peux même pas trouver à boire et à manger. Parce que partout ailleurs, c'est l'anglais. Tu vas aller dans des conférences, des réunions internationales, même des francophones, ils viennent te faire leur discours, leur conférence en anglais. Mais aujourd'hui, vous, tout le monde parle français. Non, mais non, mais pas dans nos pays. Dans nos pays, tu quittes un peu la sous-région, là, un peu les pays colonisés, mhm. tu vas dans d'autres pays, même dans des pays où souvent on te parle anglais, le plus souvent. Et comprenne le cas, par exemple, du Rwanda. Le Rwanda a quitté pour aller au Commonwealth, a décidé de faire l'anglais et pendant longtemps. Et on a vu que c'est la France qui manipule, c'est la mhm. France qui a imposé la Rwandaise, là, comme présidente, et euh, comment dirigeante. Aujourd'hui, concrètement, pour le Nigérien qui entend le Niger quitter du, des instances de l'OIF, qu'est-ce que cela impliquerait réellement ça implique quoi dans la vie des gens Chani, nous fait ses euh, conférences, ses interviews en Hausa et en Jama. Ça, c'est pour tout le monde, tout le, monde, entend. Non, il faut valoriser nos langues. Mhm. On a décidé de faire le français la langue officielle. Mhm. Il y a beaucoup de pays qui ont décidé de quitter le français comme langue officielle. Le Burkina récemment a décidé que c'est plus en le conseil français. Des ministres, en conseil des ministres, que c'est le plus le français. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Niger aussi peut prendre cette décision Je l'ai dit d'expérience. Je suis allé dans des conférences internationales un peu partout dans ce monde-là, mhm. et j'ai vu partout dans les conférences internationales à Accra, je me rappelle une année, on était obligé de se mobiliser pour dire que les documents, il faut les traduire en français. Mm. Parce que tout était en anglais. C'était une conférence de l'OMC. Mm. Je me rappelle bien de cette année-là où on était obligé de se mobiliser pour demander. Mm. Les francophones, ils viennent, ils te font un machin, les exposer en anglais et tout. Et tout. Mais pour cette transition, vous ne pensez pas qu'il faudrait beaucoup plus de temps Non, non, non. non ça veut dire que ça veut dire c'est une organisation qui s'est transformée en une organisation politique, euh, machin, pour gérer normalement, ça devait être une structure apolitique. apolitique, oui, bien évidemment. Mais on ne peut pas. Mais quand vous regardez un peu aujourd'hui le fonctionnement de toutes ces structures-là, on a comme l'impression qu'ils sont là que pour surveiller les démocraties. C'est-à-dire comment le processus, même si le gars est mal élu, on le valide et puis, mais quand il y a coup d'État, ils se mettent, se mettent sur leurs grand chevaux pour dire non, non, mais non, mais il y a eu un coup d'État au Gabon. Pourquoi l'OIF n'a pas suspendu le Gabon de ses instances ah, Armi, vous, apparemment, vous vouliez apporter quelques précisions. Hein, oui. Euh, il ne faut pas permettre euh, à, la France, euh, encore moins à l'Agence internationale de la, à l'OIF, mhm. n'est-ce pas, de considérer que le français, c'est leur bien. Euh, je crois que le Niger fait partie des pays auxquels aujourd'hui le français appartient. Et malheureusement, on peut dire que c'est une blessure un peu euh, historique n'est-ce pas Qu'on ne peut pas effacer de notre corps mhm. parce que c'est devenu aujourd'hui on s'exprime en français ici. et notre oui. tout est en français mhm. chez nous. On doit pouvoir capitaliser cela n'est-ce pas Quitter, quitter pourquoi C'est un bien de universel, mhm. c'est une langue. Mhm. Même si on quitte la francophonie, on rompt avec la France, le français peut pouvoir rester. Mhm. Comme ça, oh, parce que quelle que soit la langue que tu vas aujourd'hui chercher, j'entends beaucoup de gens parler du français. Oui, on peut dire qu'on peut quitter pour faire l'anglais, mais c'est aussi une autre colonisation. Que ça soit l'arabe, c'est aussi une autre colonisation. Et quel temps on va prendre pour quitter tout ça, je crois que c'est notre bien commun. S'ils veulent, eux, le reste dans la francophonie, mhm. se continuer à parler le français. Le jour où on sera prêt à quitter, pour une langue nationale, on peut le faire. Mais vous, est-ce que vous préconisez le multiculturalisme aussi Bien, absolument, absolument. C'est ça aussi normalement l'un des objectifs de la francophonie, mhm. la différence dans l'unité. C'est ça, mais aujourd'hui, comme Hussein a eu à le dire, les gens s'en écartent. C'est mhm. comme si c'est un agenda de la France, parce que c'est mhm. euh, depuis la bol, c'est devenu une structure carrément euh, politique, n'est-ce pas, qui ne défend que la démocratie. On n'est pas contre la démocratie. Mhm. Mhm. Mais un pays peut être en tort, à l'écart, un peu pour des raisons comme les nôtres à l'écart un peu de la démocratie. Ce n'est pas pour autant. On doit œuvrer à nous faire revenir dans la droite ligne, entre guillemets, mhm. euh, qu'elle qu'ils prétendent, et non nous mettre de côté. Ça, n'avancera en rien euh, notre langue commune. Mais Mouna, peut-être avant de clôturer ce sujet, euh, selon vous, quelle sera la suite après cette, décision du, Niger de se retirer, quelle sera la suite hein? Est-ce qu'on peut prétendre à une suite hmm. venant donc euh, des autorités nigériennes Ce qui est dit est dit. Maintenant, peut-être que s'il y a une suite, ça sera bien sûr du côté de l'OIF, peut-être de réagir aussi. Et en attendant, peut-être qu'ils vont euh, revenir à de meilleurs sentiments. Mais en termes de conséquences, est-ce que le, qu'est-ce que le Niger perd aujourd'hui Mais est-ce que le Niger perd quelque chose Je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas, nous continuons à parler la langue. <laughs> Je ne vois pas qu'est-ce que nous nous perdons, puisque même aujourd'hui, pour euh, des, Mais ce ne sera pas un paradoxe à quitter toutes les instances et continuer à parler le français bon, et ça, Ça, ça, ne pose pas problème. Ça ne mhm. pose pas problème. C'est que, c'est que on, nous n'allons nous, nous, pas adhérer à, à leur fora, à leur euh, des activités concernant l'OIF, mhm. les financements aussi. Mais bon, on, s'en est bien sorti avec euh, euh, la CDAO. Je, ne pense pas si pourquoi on ne peut pas aussi s'en sortir avec. nous, <laughs> nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse de ce vendredi 29 décembre 2023. C'est donc euh, les relations entre le Bénin et ses voisins. Lors de son discours annuel à la nation devant l'Assemblée nationale prononcé le 21 décembre, Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d'État. Le président béninois a affirmé, je cite, Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte. Fin de citation. Il évoquait notamment le Niger où le président Bazoum a été renversé en juillet. Alors, Arimi, que comprenez-vous euh, de cette déclaration du président Patrice Talon je crois qu'il est revenu euh, sur Terre, tout simplement. C'est-à-dire, on trouvait tout à fait ridicule le comportement euh, très engagé qu'il avait euh, envers vraiment les décisions de la CDAO. avec vraiment, il n'est pas le géant de la CDAO, mais il est rentré pour poser, pour faire un discours vraiment va en guerre mm-hmm. contre le Niger. Et aujourd'hui, il veut nous faire savoir que non, c'est, il a été le porte-parole du grand groupe. Or, en la matière, mhm. personne ne peut enlever le fait que c'est parce que tu es d'abord le président du Bénin que tu étais dans, dans cette structure-là et que tu as eu le droit à la parole. Mhm. Parce qu'avec avec euh, euh, le président ivoirien, et le président Tounoubou, ils étaient vraiment les plus acharnés, mhm. y compris pour, la, pour, la, pour, la décision de venir en guerre pour le Niger. et tout le monde, je suis persuadé d'ailleurs chez lui aussi, mais aussi au Niger, tout le monde était étonné, vraiment très surpris de ce comportement qu'un Béninois mm-hmm. peut avoir vis-à-vis du Niger. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, il vient de dire que non, euh, lui-même, ce n'est pas son au fond de lui qu'il mm-hmm. pensait et qu'il a suivi le groupe euh, et tout. Moi, ça ne m'étonne pas. Je m'attendais à ça et c'est pourquoi quand il s'est agi de mettre l'AES en place, l'Alliance des, États du Sahel, euh, en place. Euh, je me disais, mais euh, ou bien c'est juste un point de départ, mais comment ça peut, ça peut se faire sans des pays comme le, Tchad, mais le Bénin, le mm-hmm. Nigeria, mm-hmm. parce que ces pays, en réalité, il Autant, y avait, selon vous, donc, un lien fort entre ces pays. Un lien très fort, très fort. Ancestral, oui. Oh, oui, qu'on ne peut pas nous séparer. Et je disais, je voyais ça tout simplement comme le passage d'un homme politique qui, à un moment T, voulait de quelque chose et qu'il est allé trop loin. Mm. certainement, il l'a fait pour plaire à son groupe et à ses, à ses, commanditaires. Mm-hmm. Et Aujourd'hui, ce n'est pas, je ne suis absolument pas étonné qu'il revienne parce que sur le passage obligé, le Bénin euh, et le Niger, c'est intimement lié. On ne peut pas séparer, même quel que soit l'homme politique mhm. qui va venir, il ne pourra pas le séparer parce que la nature nous a mis ensemble. Mhm, mhm, et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas étonnant qu'il revienne sur Terre et qu'il va demander peut-être même jusqu'à une audience au CNSP. Pourquoi pas Parce que s'il le laisse, si le, la CDAO ferme les yeux, euh, parce qu'ils l'ont déjà poussé très loin, euh, c'est c'est ce sont, sa population qui risque de marcher par la population. Parce que, au plan économique, euh, beaucoup de statistiques ont montré qu'ils ont beaucoup de difficultés parce que. Le pays a beaucoup plus souffert que le, Niger. Oui, bien, pas plus souffert peut-être, parce que nous, on a voulu nous l'imposer de tous les côtés, mais c'est seulement le Bénin qui est malheureusement fermé mm-hmm. dans la réalité. Mm-hmm. Euh, le pays souffre, en tout cas, du point, du point de vue au moins économique. Mm-hmm. Ça ne va pas. Parce que l'essentiel des recettes, surtout selon eux-mêmes, selon leurs spécialistes, les recettes fiscales du Bénin sont tirées vraiment par de par la traversés mhm. par des marchandises devant venir au Niger ou devant transiter par le Niger mhm. et qui passent par leur pays. Alors oui, justement, premier effet pourrait-on dire, hier 27 décembre 2023, le directeur général du port autonome de Cotonou, Bart Joseph Johan, annonce la levée de l'interdiction des importations transitant vers le Niger, une information relayée par des médias au Niger et au Bénin. Pourquoi M. Van explique que cette mesure a été prise dans le sens d'améliorer les conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion. Alors ma question, Ousseini, est-ce que c'est un premier pas dans ce processus euh, du rétablissement des relations euh, souhaitées par le président Talon moi, honnêtement, moi, quand j'ai lu le communiqué, je me suis dit, mais ces gens-là, ils nous prennent pourquoi ils se sont levés un beau matin, ils ont dit même l'accès des marchandises nigériennes. Moi, j'ai suivi un peu ce dossier-là de très près. Raison. Quelles raisons Quelles raisons Ceux qui ont fermé la frontière, nous, il y a combien de milliers de camions qui ont été stationnés au niveau de Malanville Des milliers de camions. Des milliers, n'est-ce pas Alors, qui, à qui la faute ils ont dit, ah, à raison de cette situation, on peut plus continuer à recevoir les marchandises du Niger au niveau du port. Ils expliquent peut-être que c'est oh, la décision de la CDAO et mais non attends, du la CDAO, d'accord, c'est une institution, c'est une personne morale. Mais les gens qui décident, c'est pas des personnes physiques. Ça découle donc. Ça, non, c'est des personnes physiques d'abord. Mm. Le problème, le cas du Niger, mm. c'est que ces gens qui se sont mis en branle pour prendre ces sanctions, ils n'ont pas pris des sanctions contre les gens du CNSP. Ils ont pris des sanctions contre le, peuple nigérien. C'est ça la différence. C'est ça moi, je peux pas avoir pitié de ces gens. Ou que le monsieur, comment il s'appelle, Talon vienne aujourd'hui. Mhm. Talon a chaud. Le problème de Talon, il a chaud. Son économie est au plus bas. Mhm. parce que tout simplement, et il a, il a, il a chaud et il sait pas quoi faire. Et aujourd'hui, ils ont eu un temps pour condamner. Mais on peut condamner sans vouloir asphyxier un pays. Mais lui, ils ont condamné pour asphyxie. Pas de médicaments, pas de nourriture, pas de. Je ne sais même plus. alors, quand tu fais ça, et aujourd'hui, tu sors comme si tu as affaire à des enfants. Tu viens dire, ah, je veux voir dans quelles conditions je sais qu'ils ont souffert. Mais en le faisant, tu savais qu'ils allaient souffrir. Parce que quand tu poses un acte, tu te dis, est-ce que cet acte-là, qu'on m'a dit de faire. C'est pas parce que je suis dans une organisation que je vais suivre bêtement. Le Bénin n'aurait pas dû non, donc. Le, non, euh, Bénin n'aurait pas dû. Vous avez vu le comportement du Togolais, mhm. n'est-ce pas On n'avait pas de frontière. Alors il a compris que faire ça, c'est participer à comment à un acte génocidaire, n'est-ce pas Aujourd'hui, que ce monsieur pour venir s'asseoir devant son parlement pour dire que non, on va avoir, on va rétablir, on rétablit pas. On ne rétablit. Non, ça n'a aucun. Ça moi, je n'ai pas pensé que le Bénin pouvait. Le Bénin, moi, personnellement, moi, je pensais que le Bénin ne pouvait pas poser ce acte-là. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Parce que c'est quand même un pays, c'est un prolongement du Niger. Quand le port du Bénin a été construit, on l'appelait port du Niger. N'est-ce pas Quand ça a été décidé, ça s'appelait port du Niger. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Niger peut s'en passer Mais on peut passer, mais bien évidemment. Mais alors, pourquoi pas L'histoire. Pourquoi pas On allait faire à l'époque, parce que j'ai discuté avec déjà, et j'ai eu un document, un ancien ministre du, transport et tout et tout, qui a expliqué les circonstances dans lesquelles et les clauses, les clauses hein, par rapport à l'exploitation de ce port. Et c'est des clauses à l'international, n'est-ce pas au niveau de l'OMC et tout et tout. Et que vous, vous faites fi de tous ces dispositifs, mhm. ces mécanismes-là. Mhm. Pour vouloir sanctionner, je vais dire une chose, c'est que ce monsieur, il s'est trompé d'époque. Oui, Armi, que voulez-vous dire Je voulais, dire mhm. que, en fait, le, le, Niger a été, je dirais, abusé dans cette décision de la CDAO. C'est la même chose pour l'électricité. Parce que... Avec le euh, Nigeria. le Nigeria aussi avait eu l'autorisation internationale de construire le port, le, le, le, barrage de Kenji, mhm. c'était en empêchant au Niger de ne pas construire Kandaji, parce que si en amont le Niger construisait Kandaji, avec la taille de l'époque, n'est-ce pas, le Nigérien n'allait pas suffisamment avoir suffisamment d'eau pour construire Kandaji n'est-ce pas En conséquence, le Nigeria devait nous donner de l'électricité. Et ah, dans le cadre de ces décisions-là, voyez, vous voyez, ils sont venus euh, pour une euh, sanction à prendre contre le Niger, même cette, décision vraiment qui est cinquantenaire pratiquement, et euh, les gens ont venu fouler aux pieds. Mm-hmm. C'est la même chose pour le pont. Les gens oublient que c'est des droits vraiment internationaux, des, des, Nigériens, des clauses vraiment mhm. internationales qui ont été foulées des pieds... Mhm. Mhm. par la CDAO uniquement. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est en cela que c'est grave. Euh, seulement, à la différence de de, Ouseni, je pense que euh, le pont, le port euh, lui arrivera un jour où on va utiliser, continuer à utiliser le port de, Cotonou parce que à cause du peuple Mhm. Euh, béninois, mhm. mais aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est un, un, courroie de transmission qu'on a l'habitude mhm. d'utiliser seulement l'histoire est têtue. Mhm. L'histoire est têtue. Aujourd'hui, les gens se sont retournés vers le port de Lomé, n'est-ce pas Certains lorgnent du côté de, de, de l'Algérie. Et ça, on ne peut plus nous en détourner. Alors, de cela oui, mais Mouna, justement, aujourd'hui, euh, on sait que le Niger demeure toujours sous les sanctions de la CDAO. À votre avis, euh, comment le gouvernement de transition euh, nigérien pourrait réagir face à cette main tendue du président béninois Bon, d'abord, il faut noter que la main tendue du le retour. Le du, retour selon vous. du président béninois les meilleurs sentiments. Mhm. Euh, intervient à quelques semaines seulement de la main tendue du, président togolais qui, qui donnait mhm. son port, pour, euh, pour, les transits, entre le, Niger. Les marchandises doivent transiter par le port donc euh, de Lomé. Et je pense que en fait, il, il, il, a réfléchi pour voir que les, son économie est déjà par terre et autant les peuples du Niger en train de souffrir, autant son peuple en train de souffrir. Mhm. il a pris une décision sans autant évaluer le pour et le contre, mhm. les conséquences qui peuvent en découler, mhm. parce que, on le veut ou non, le Bénin n'atteint pas le Nigeria le, en termes d'économie. Le Bénin, c'est le Niger qui, en fait, transporte la majorité ou la, la, moitié, si on peut le dire, de par les transports, c'est beaucoup pour le Bénin. Mm. Donc, ce que le Niger met pour le Bénin, le Nigérien ne le met pas pour le Bénin. Mm-hmm. Parce que nous sommes déjà deux pays côte à côte. Nous sommes des pays, des, déjà des, des, populations ont les mêmes habitudes, mm, mm. les habitudes de vivre. Et aujourd'hui au Niger, quand on fait un recensement, il y a plus de populations. Justement, avec les îles, villes, juste avec la ville de Gaïa, Malanville. On dit, déjà, mm. regarde mm-hmm. déjà la situation. Nous sommes vraiment liés par l'histoire. Et je pense que, en fait, il devrait être la première personne a refusé les sanctions de la CDAO contre le peuple nigérien. Malheureusement. malheureusement, mais il ne l'a pas fait. Mm-hmm. Il a fait ça pour faire plaire, plaire à, Alors, rapidement, oui, il a fait en mm-hmm. fait euh, plaisir mm-hmm. à ses chefs d'État et il n'a pas tenu compte que normalement les sanctions là vraiment, ça l'arrange pas et ça ne peut pas nous arranger aussi. en un mot, peut-être que euh, je, le gouvernement, ce que le gouvernement peut faire, parce qu'on ne peut pas aussi ne pas et aller vers le port de, de euh, du Bénin, hein, et on peut aller, mais Maintenant, tout dépendra, tout dépendra des commerçants. Oui, si, comme le dépendra les, commerçants, parce qu'aujourd'hui, les commerçants aussi vont aller là où ça les, ça les arrange le plus. Hein. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. dernier sujet, parlons sport et de la 44e édition du Sabre national qui a débuté le 22 décembre à Agadez. À la mi-journée du jeudi 28 décembre 2023, 13 lutteurs restent invaincus. Ils poursuivent la course pour détrôner le champion en titre Kadri Abdou Di Isaka Isaka. Ils rêvent de soulever le précieux sabre argenté de cette année. Ousseini Issa vous suivez ces compétitions de cette année. Tout à fait. Alors, comment vous appréciez le déroulement de cette 44e édition du sabre ben, national D'abord, le premier constat que j'ai fait, c'est que de plus en plus, au fil des éditions, mm. c'est qu'il n'y a plus de petites régions en matière de lutte. C'est-à-dire C'est-à-dire, à, l'époque, on savait les régions qui, qui venaient qui faisait, comment dire, la pluie et le beau temps. À l'époque, c'était la région de Tawa, la région de Maradi, Zender, un peu d'Osso. Euh, ah, et puis après Agadez, Difa, tout ça, Tilaberi, mhm. c'était vraiment des accompagnants, quoi. Maintenant, il y a de la performance. Maintenant, on a vu que toutes ces régions-là, mhm. ils viennent. Ça dénote d'un fait, c'est que il y a cette ce phénomène de migration des, des, des, lutteurs. je n'ai pas, je n'ai pas la chance d'être sélectionné ici dans ma région <laughs> natale je vais aller à ne C'est pas parce que je ne suis pas compétent pour, mais peut-être je n'ai pas. Des critères, peut-être. Voilà. Mhm. en, réalité, c'est le premier aspect que je note, n'est-ce pas On a vu que Tilaberi, Karma, dès les premières journées, hein, les, performances de Tilaberi, mhm. n'est-ce pas mhm. Debout, n'est-ce pas Pendant pratiquement 48 heures, ils avaient cette lutteurs, 42e, 3e journée jusqu'à la 3e journée, n'est-ce pas euh, aujourd'hui, l'autre aspect aussi, c'est que il y a beaucoup de surprises, des lutteurs sur lesquels on ne comptait pas, mhm, qui, se sont révélés, parce que mhm. tout simplement, bon, ça montre un peu que de plus en plus, ce n'est plus, comment dire, cette suprématie-là, c'est des jeunes qui montent et les, les, les, les anciens qui veulent rester, on voit comment ils finissent. Ils sont humiliés dans l'arène. Ça, mhm. c'est un autre aspect que je retiens. Mhm. Parce que tout simplement, il y a un âge pour arrêter. Parce que c'est quand même un sport très physique. Effectivement, qui demande, demande beaucoup d'énergie. Mhm, c'est les cinq minutes. Quand les gens voient les cinq minutes, là, souvent, quand ils les voient s'essouffler, c'est intenable. C'est intenable. Ça, c'est le deuxième aspect. Maintenant, il y a un troisième aspect qui a apparu entre hier et aujourd'hui. On parle de trucage, quoi. N'est-ce pas? Quand euh, on a un peu décanté, au niveau des régions, maintenant, on a comme l'impression que il y a un jeu mesquin qui s'est fait, c'est-à-dire comme si les régions se négocient, quoi. Laisse mon lutteur. On Avec les invendus le, le, chiffre qui, reste, qui, reste, le même. Oui, oui, ça, ça c'est vraiment dommage. Mm, mm, mm. C'est vraiment dommage parce que tout simplement, si ça doit se transformer comme ça, moi je me dis, c'est pas ça l'attente des Nigériens. les gens veulent voir des combats, des véritables combats, pour voir qui véritablement mérite mais qu'on fasse des arrangements pour laisser passer les lutteurs, ça ne fait pas la crédibilité. on est aujourd'hui dans la mi-journée, ils sont à, Je crois qu'il y a un seul qui est tombé. Mhm, mhm, mhm. n'est-ce pas, cette matinée-là. Ce soir, cette matinée, il n'y a, eu, ah, il n'y a, pas, il a pas eu de chute. Ils sont tous, 14, les 14 y compris le 20, euh, Y compris, ok, d'accord. Mais là, alors, on tend vers ça. Si on ne met pas, parce que j'ai ah. entendu même le président de la fédération faire une mise en garde ce matin avant le mhm, départ. Mhm, mhm, il a fait une mise en garde pour dire aux lutteurs, ils voient ce qui se passe, hein. ils sont et que vraiment ils vont, ils seront obligés de sanctionner. Moi, je me dis quelque part, le tour n'est pas de dire on va il faut sanctionner. Il faut sanctionner. voilà, voilà. Alors il faut sanctionner. Il faut sanctionner, il faut maintenir les sanctions. Il n'est pas à, sanctionner. Au bout d'un certain temps, on va voir la fédération pour demander à ceux qui enlèvent la sanction. La personne a présenté ses excuses. Moi, je me dis la sanction là c'est ça qui manque dans nos pays. Mhm. Et c'est ça qui fait que les choses perdues, les mauvaises pratiques perdues, parce qu'il n'y a pas de sanctions. Mais est-ce que vous suivez également les compétitions de la lutte traditionnelle On ne voit pas autant de femmes s'intéresser. <clears throat> Pas tellement. Oui, mais est-ce que, oh, cette année, vous arrivez à suivre Oui, j'arrive à suivre un peu. Hein. <laughs> Quelle est donc, euh, selon vous, la région la plus favorite ah, moi, je, vois Tilaberi. Pourquoi Moi, je vois... Bon, je sais pas, mais moi c'était la En fait, parce que ça m'a donné vraiment l'impression, déjà j'ai vu comment les lutteurs de Tilaberi étaient euh, vraiment déterminés, mhm. déterminés à aller jusqu'au bout. Et ce qui me, ce qui me, me, fait encore sourire, c'est le détenteur même du, du sabre, Isaac, Isaac, hein. tout, le monde, tout le monde est scotché. les yeux, oui, oui, tout le monde veut voir Isaac va passer ou il va pas passer, il a été terrassé ou il va pas être terrassé ça reste un suspense. il a aujourd'hui c'est son cinquième sabre, si je ne me trompe ça Reste, ça reste en suspense, ça reste en suspense parce que lui, il a, lui aussi, il est venu pour compétir et, ce que j'entends de lui, mhm. il rassure qu'il va encore remporter le sabre. Ah Donc nous, on est là, on regarde. <laughs> et, mais c'est quand même amusant. Mhm, mhm. Mais c'est également, il faut revenir sur les, affaires de trucage. Mhm, parce que aujourd'hui, si les Nigériens se mobilisent pour aller regarder, d'autres ont pris le temps, la peine d'aller jusqu'à Agadez. C'est vraiment pour voir des combats, des véritables combats qui, qui se passent. Mais si aujourd'hui on parle de trucage, parce que euh, dans les coulisses, les gens sont en négociation de région en région. Celui qui a peut-être cinq lutteurs invaincus, essayer de voir de l'autre côté, les, euh, faire euh, l'autre région, région faveur, des faveurs. Ce voilà, il ne faut pas essayer de terrasser mes cinq lutteurs. Ce n'est pas normal. c'est pas normal. Mhm. Et je pense que des sanctions, il faut vrai, véritablement qu'on arrive à mettre euh, une forme de euh, de, des formes de sanctions mhm. pour que nous puissions vraiment être passionnés encore de cette lutte traditionnelle. Ousseini et Memouna soutiennent cette question de ah sanctions. Alors vous, Armi, un mot sur cette 44e édition de la lutte traditionnelle qui Oui, en fait, euh, 44 éditions, c'est normalement l'âge euh, de la maturité, même pour euh, un homme. Hmm. Et malheureusement, autant oui, notre lutte traditionnelle a fait du chemin, euh, mais euh, beaucoup laissent à désirer encore, mhm. et notamment euh, cette histoire de complot, de combat arrangé. Il n'y a pas que cette question de trucage, il y a aussi la question des dopages et autres qui sont. Oui, parce que c'est justement quand je parle d'avancée, il y a mhm. une commission antidopage, n'est-ce pas, qui teste les joueurs, mhm. les, lutteurs, n'est-ce pas, et nous n'avons pas encore les résultat en, mhm. tant que, mhm. en tant que tel. Mais ce qui a aussi de bien et qu'on a pu acquérir dans le cadre de la lutte, c'est qu'un lutteur peut lutter un peu partout au mhm. Niger, dans la région euh, de, son, de son choix. Euh, des régions comme euh, Difa et Tilaberi sont généralement ceux qui mettent en place leur équipe en dernière position. Mais euh, il arrive aussi que ces régions-là donnent quand même aux autres régions. L'année dernière, Dala Abani de Difa a lutté à Maradi. C'est une très bonne chose à mon avis. Maintenant, au-delà, vraiment pour finir avec ces questions de, dopage, ces questions euh, de, de, trucage, mm-hmm. il faut professionnaliser la lutte. Mm-hmm. Euh, parce que les lutteurs ne tirent pas encore l'essentiel de leurs revenus de la lutte. Mm-hmm. Et c'est qui ce qui fait qu'ils peuvent bazarder. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils ne prennent pas les spectateurs qui regardent. C'est des millions de Nigériens qui regardent la télévision. Mais comment y arriver Justement, il faut euh, introduire euh, le, le poids dans la lutte parce que le sport, c'est déjà, ça. Il y, a un poids, non Non, malheureusement, euh, quel que soit, euh, c'est le tirage qui détermine. Donc il faut mettre Un lutteur de 50 kilos peut lutter avec un lutteur de 120, 130 kilos. Mm-hmm. le, ce qui fait que si on remonte, mm-hmm. euh, je, ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas qu'un lutteur de moins de 75 kilos ait remporté le, sabre. Et donc ça, c'est quelque chose à corriger. Mm-hmm. Et il faut aussi valoriser le classement par équipe. Euh, ça ne vaut rien. Donc un joueur, un lutteur qui est déjà tombé, même son équipe peut lui permettre d'aller tomber face à quelqu'un qui est invaincu <laughs> pour qu'il n'ait pas de dents contre mhm, lui mhm, et tout. Mhm, Mais le sport, c'est au-delà de ça. Avec ton propre frère, si tu es amené à être dans le terrain, dans l'arène, tu n'as plus le droit de tricher parce que c'est ça qu'il il, s'agit de respecter la discipline que tu pratiques et il s'agit aussi de respecter les spectateurs mhm. qui mettent leur argent. Mhm. Ce qui fait que il faut valoriser aussi les prix, le, les titres individuels. Mhm. C'est-à-dire, il y a telle catégorie, généralement en sport de combat, il y a cinq catégories, on les répartit, les gens combattent dans ce machin. Maintenant, la catégorie phare, c'est comme en boxe, c'est les super lourds, C'est eux qui vont remporter le plus et ça marche. Bon, j'ai compris, j'ai discuté avec beaucoup de spécialistes de la lutte nigérienne qui me disent non, la lutte nigérienne va perdre. Mais si on s'en tient à ça, la lutte nigérienne ne sera jamais une lutte internationale. Or, c'est ça l'objectif. C'est euh, notre apport vraiment au sport au plan mondial. C'est nous qui l'avons mhm. jusque-là avec les Sénégalais, mais eux, ils font la lutte avec frappe. Mhm. C'est nous qui l'avons porté jusqu'au jeu de la francophonie. Mhm, mhm. Justement, on voit euh, les hommes sont beaucoup plus intéressés à cette lutte, mais dans les arènes, ces dernières années, on voit beaucoup plus de, femmes. Est-ce à dire qu'il y a un engouement venant de la femme Non, c'est véritablement un sport euh, national oui, le sport, le football jusqu'à aujourd'hui mobilise plus de, monde, mhm. mais ça c'est parce que euh, c'est dû à la jeunesse de notre population. Par contre, la lutte, vraiment chaque année, contrairement à ce que, euh, qui, qui, qui arrive avec beaucoup de disciplines mhm. qui reculent, la lutte engage plus de monde. Et la jeune féminine vraiment s'intéresse, ce qui est une très bonne chose. Mhm. Euh, j'espère que la fédération va aussi nous amener à nous proposer euh, un championnat féminin. Oui, justement, j'allais poser la question à mes Oui, moi je suis, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. <laughs> n'est-ce pas euh, On peut à la nigérienne. Mhm. Est-ce qu'il y a déjà existé, que je connaisse, dans notre société Il mhm. n'y en a pas eu parce que mhm. c'était une discipline carrément. Est-ce que c'est euh, envisageable voilà, mais c'est envisageable parce que ça permet aussi de montrer que la femme, elle aussi, elle est capable de faire. Alors, Ousseini, à part cette compétition annuelle qui est organisée dans les différentes régions, qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment vivre, faire vivre davantage la lutte traditionnelle au Niger ah, je pense que et le ministre, je crois, le ministre l'a dit, hein, il faut, il faut, il faut professionnaliser l'activité. C'est important. On ne peut pas continuer. Ça fait 44 ans que ça se tient. Mm. Sans tenir compte des années qui n'ont pas été organisées, si on mm-hmm. doit mettre toutes ces années. Alors, il faut, il faut professionnaliser. Il faut mm. faire en sorte que les lutteurs puissent vivre de ce qu'ils font. Voilà. Mais au-delà des lutteurs, est-ce que les régions même gagnent de ces... mais bon, y a, bon les régions, c'est quoi C'est Tout se concentre autour de la semaine-là. Mm. Où on fait des prix, on donne frais de participation. Mais bon, il y a des retombées. La région où on organise, bien évidemment, les gens se déplacent, les gens achètent le commerce. voilà. Mais ah c'est dans la région seulement. Ailleurs, dans les autres régions, les gens suivent à distance. Mhm. Mais moi, je pense qu'en professionnalisant, en créant les conditions avec un championnat régulier, ça mhm. dit, on peut carrément exporter, comme l'a dit Arimi. Mais on ne peut pas continuer à organiser juste pendant la période de 10 jours. Et c'est fini, et puis il faut attendre encore l'année d'après. Moi, j'ai dit à euh, il faut, il faut, il faut avancer. Quand on crée quelque chose, il faut avancer, il faut, il faut moderniser. Mais malheureusement, on je suis d'accord avec euh, Arimi que, je suis d'accord avec Arimi que le poids compte. Il faut mm-hmm. vraiment, quand on voit souvent, on dit, on est que ils avaient. Mm-hmm. Tu viens, tu tombes sur quelqu'un qui a 120, 120 kilos. alors, mm-hmm. tu n'as aucune chance face à ce. Parce, oui. Mhm. Rien que son poids mhm. <laughs> est impressionnant. Tu, peux rien faire des Alors, si rapidement, il faut, il faut professionnaliser, c'est de cela qu'il s'agit. Pour leur prise en charge, il y a ce qu'on appelle la loi Abdul En 1998, mhm. le ministre Abdraman Seydou, ministre de Sport à l'époque, avait initié une loi qui prend en compte vraiment ces aspects de la prise en charge euh, médicale, sociale euh, des lutteurs pas des lutteurs seulement, des sportifs qui ont atteint un certain niveau mhm, mhm. et des hommes de culture. Bon, malheureusement, euh, c'est resté lettre morte, mhm, mais c'est vraiment impeccable comme Il faut juste pérenniser la pratique de la lutte. Il ne faut pas que ça soit dix jours dans l'année. Actuellement, il y a la Coupe du Président de la République, mais il faut carrément enlever ça du juron des hommes politiques pour que la société elle-même gère sa chose. Les arènes, on en a dans toutes les régions, que ça soit animé toute l'année. Il faut créer des pérenniser, Il faut pérenniser donc la lutte traditionnelle. C'est ici donc euh, que prend fin ce forum. Nous souhaitons donc une bonne poursuite des compétitions. Je note que ce numéro du forum de la presse de ce vendredi est le dernier de l'année 2023. Un tour de table rapidement peut-être euh, pour souhaiter une bonne année à tous les Vraiment que ce soit une année, on a connu beaucoup de difficultés en fin d'année avec les sanctions, en tout cas qui ont pesé sur les populations. On souhaite qu'en ce début d'année 2024, que ces sanctions puissent être levées. On souhaite que, bon, vraiment la paix et la concorde. Merci. mais a un mot rapidement. Alors, La paix, la paix, la paix, vraiment merci. que les sanctions Merci à tous. Donc, euh, merci. Euh, c'est la fin de ce forum qui sera diffusé sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Nous étions en compagnie de Maimouna Diado, journaliste indépendante, Arimi Yaba, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci donc. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec euh, l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir 18h15 à vous suivrez le forum à Hausa et Très bonne année 2024. Au revoir.